le forum du studio le le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes à Niamey. Monsieur, dames, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou à la présentation Raylet Tsumana. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. La thématique d'aujourd'hui est consacrée à la mise à la consommation des véhicules au Niger, procédures, difficultés et avancées sur les pays voisins. Le gouvernement nigérien a adopté en 2014 le décret portant création d'un guichet unique et a signé un contrat de partenariat public-privé avec un partenaire. Il a été institué un certificat d'immatriculation format carte de crédit avec euh, la nouvelle réforme du guichet unique d'automobile. Les consommateurs euh, s'interrogent sur certains aspects de cette euh, procédure. Alors, pourquoi cette nouvelle réforme et surtout pourquoi maintenant Combien coûte le dédouanement d'un véhicule Quels sont les tarifs appliqués pour la mise à la consommation d'un véhicule particulier, par exemple Laquelle des réformes est la plus avantageuse pour répondre à ces questions je suis dans ce studio ce soir avec euh, Monsieur Marafa Moussa, il est le directeur général adjoint de la société nigérienne de logistique automobile Sony Loga. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence. Le représentant du ministère des Transports que nous avons sollicité pour la tenue de ce forum est absent selon lui, pour des raisons d'indisponibilité. Bonsoir à tous. Euh, un vaste programme de réformes en vue de la modernisation de l'économie est en marche au Niger. Ces réformes concernent entre autres l'administration des douanes. Les premières actions des réformes ont permis la création d'un guichet unique. Depuis quelques mois, de nouvelles plaques d'immatriculation automobile ou plaques minéralogiques sont mises en circulation au Niger. Mais avant de rentrer dans le thème euh, proprement dit, euh, je vous demanderai à vous, monsieur, de nous faire euh, une petite description. Dites-nous quelle est la mission principale assignée à votre organisation. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous faites en nous invitant à votre studio. la Société nigérienne de logistique automobile est une société spécialisée effectivement dans le traitement des véhicules. C'est à ce titre que nous avons signé un contrat de partenariat public-privé avec le gouvernement du Niger pour la création, l'exploitation et la maintenance du guichet unique automobile du Niger. Alors l'objectif assigné à Loga à travers ce contrat de partenariat public-privé, c'est d'abord dans un premier temps d'accompagner l'État dans la modernisation du secteur d'importation du véhicules. L'importation, le dédouanement et la mise en circulation. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, euh, le Niger importe un nombre important de véhicules d'occasion. Cette importation massive euh, occasionne souvent des détournements de véhicules et l'État ne rentre pas facilement dans ses droits. Alors, c'est au regard de l'importance des deniers que cela pour générer que l'État a pensé à moderniser, non seulement pour impulser une nouvelle dynamique dans la collecte des recettes douanières et fiscales, mais aussi et surtout sécuriser les usagers eux-mêmes à travers la modernisation du matériel utilisé pour les visites, pour la visite technique. Vous avez parlé tout à l'heure de la carte du crédit sous format mm. carte de crédit, ce qu'on appelle communément carte grise. Alors il y a un, un ensemble d'avantages que la création du guichet unique présente, mais je pense que nous aurons l'occasion. Nous allons y revenir tout à l'heure. Donc euh, qu'est-ce qui manquait à l'ancien système d'immatriculation pour que c'est seulement maintenant que cette nouvelle réforme a été instaurée Bon, à travers la création du guichet unique, ce n'est pas pour jeter l'anathème sur le système d'immatriculation de l'époque. C'est un c'est une réforme qui englobe aussi bien l'importation, le dédouanement et la mise en circulation des véhicules sur le territoire du Niger. Je le disais tantôt que euh, l'importation massive des véhicules a occasionné beaucoup de pertes en termes de recettes, aussi bien douanières que fiscales. Par comment ben, Parce que quand les, usagers font rentrer des véhicules au Niger il y a 10, euh, 20 ans, l'État ne rentre pas directement dans ces droits parce qu'ils ont la possibilité de cantonner des véhicules, par exemple, dans des parcs privés où le véhicule peut prendre de l'âge, comme on le dit, sans qu'il ne soit mis en circulation. Alors, entre-temps, l'État perd. Et il y a la pollution de l'environnement parce que tout véhicule qui n'est pas mis en circulation, il n'est pas censé être identifiés dans ce pays. Alors avec la réforme du guichet unique, non seulement tous les véhicules qui entrent au niveau des frontières du Niger, ils sont systématiquement identifiés et Loga, avec le système que nous avons mis en place, on l'évalue en vue de déterminer une valeur en douane. Alors ces véhicules qui entrent sur le territoire du Niger, à travers les frontières de Gaïa et de Makalondi, ce sont les guichets frontières, comme on les appelle, une fois identifiés ces véhicules, partout au bureau de douane du Niger, il sera dédouané à la valeur que nous lui avons indiquée dès son entrée à la frontière. Alors donc vous voyez que la modernisation fait en même temps mettre les usagers au même pied d'égalité. On parle de l'égalité des usagers devant le service public. Est-ce que ça veut dire que euh, l'âge du véhicule impacte sur euh, les frais que l'automobiliste doit payer Alors là, vous parlez de la mise en circulation dans ce cas du véhicule. Mm-hmm. Je vous explique un peu le traitement du véhicule dès son entrée sur le territoire du Niger. La convention que nous avons signée avec l'État du Niger nous impose de commencer le traitement du véhicule à la frontière. Nous identifions le véhicule, nous l'évaluons et effectivement la procédure commence à la frontière. Sony Loga, de par notre convention avec l'État, nous sommes dans l'obligation d'escorter l'ensemble des véhicules destinés au guichet centrale de Niamey pour leur mise à la consommation, c'est-à-dire pour leur douanement. Le guichet est construit sur 10 hectares et nous avons 2 hectares réservés rien que pour le parc Soudan. Le parc Soudan, c'est-à-dire c'est les véhicules que nous cantonnons en vue de leur dédouanement. Ça veut dire que c'est vous qui faites rentrer les véhicules jusqu'à Niamey En collaboration avec les services de douane, Soniloga met à la disposition de la logistique nécessaire pour que l'ensemble des véhicules soient escortés jusqu'au bureau de destination, c'est-à-dire le bureau spécial moyen de transport qui est logé au guichet de automobile du Niger. D'accord. Ok. Donc, euh, en quoi consiste exactement ce nouveau système euh, en vigueur Quelles sont les différentes étapes une fois ici euh, au guichet à l'entrée de la ville Alors, le traitement du dossier commence à la frontière. Mhm. Les services du Loga évaluent le véhicule et il y a un document que nous délivrons aux usagers qu'on appelle des servios c'est la détermination des caractéristiques réelles des véhicules importés d'occasion. Mhm. Il y a aussi la desservine, c'est la détermination des caractéristiques réelles des véhicules importés neufs. Mhm. Alors, le véhicule étant escorté et acheminé au niveau du guichet central de Niamey, il est cantonné jusqu'à ce que la procédure de douanement, d'immatriculation, de pose de plaques et d'assurance soit remplie avant que le véhicule ne puisse sortir du guichet unique. Alors, la nouveauté ici, c'est que l'État impose aux usagers de finir l'ensemble des formalités. Les formalités, c'est le dédouanement, c'est l'immatriculation et surtout prendre la première police d'assurance qui est obligatoire avant que l'usager ne fasse sortir son véhicule. Alors, le gain à la matière pour l'État et pour les usagers, d'abord pour l'État, c'est que l'État rentre directement dans ses droits en termes de frais de douane, en termes de frais de vignette, parce que par le passé, vous vous souviendrez qu'il y a des usagers qui peuvent circuler 10 ans, 15 ans avec leur véhicule sans jamais prendre la vignette. Aujourd'hui, avec le système institué par Sony Loga, aucun usager ne pourra circuler avec son véhicule sans avoir préalablement pris sa vignette et sa première police d'assurance. D'accord. Et combien de temps pourrait prendre euh, cette mise à la consommation d'un véhicule particulier, par exemple Alors, euh, un véhicule en immatriculation, c'est-à-dire un véhicule nouvellement introduit sur le territoire du Niger et acheminé au guichet unique, nous avons un délai de trois jours pour le mettre en circulation, c'est-à-dire qu'il ait sa plaque effective. Trois jours. Alors je voudrais profiter pour faire la distinction entre un véhicule en immatriculation et un véhicule en réimmatriculation. Mm-hmm. Parce qu'en janvier 2015, l'État a pris une nouvelle mesure pour instituer la réforme d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules. En termes plus simples, c'est le changement de plaque. Les véhicules déjà en circulation, l'État leur demande d'aller réimmatriculer leurs véhicules. Alors, pour le délai des véhicules admis en réimmatriculation, c'est deux jours. Je vous expliquerai nous allons y revenir euh, dans l'autre partie. Est-ce que tous les documents que vous venez de citer sont obligatoires pour les voitures, les motos et autres véhicules qui doivent circuler dans la ville Effectivement, euh, la réforme touche l'ensemble des véhicules à moteur, que ce soit euh, les tracteurs, les, motocyclettes, les, les vélomoteurs la réforme touche l'ensemble des, véhicules à moteur. D'accord. Et pour euh, les documents, euh, il y a notamment la, visite technique euh, qui intervient. Est-ce que ça se fait aussi à la guichet unique ou bien au niveau du centre de Gamkale comme on l'habitude de le faire, les, les automobilistes Il est important de rappeler que le guichet unique regroupe l'ensemble des services privés et publics qui concourent à la mise en circulation des véhicules sur le territoire du Niger. De ce fait, toutes les opérations sont faites au niveau de la plateforme du guichet unique automobile, y compris les PV de réception. Et donc, que va devenir l'autre centre Ou bien c'est eux qui sont délocalisés là-bas, ou bien euh, c'est la fin de, ce centre de... Les services du ministère des Transports euh, procède à cette opération au niveau du guichet unique automobile. Pour parler un peu de dédouanement, de, quoi est composé l'ensemble des frais de dédouanement d'un véhicule, si vous pouvez y répondre, bien sûr. la nouvelle procédure de dédouanement des véhicules au guichet euh, a été instituée par un arrêté du ministre des Finances. La particularité de cette procédure, dans un premier temps, c'est la détermination de la valeur des véhicules. Donc, la détermination de la valeur du véhicule est faite par Sony Loga. Et chaque véhicule a sa valeur en fonction de certaines caractéristiques qu'il présentera, notamment les options du véhicule, l'année de fabrication du véhicule, euh, l'origine du véhicule. Alors, par le passé, il n'y avait pas ce système qui tenait, qui tenait en compte les caractéristiques du véhicule lui-même. Chaque véhicule a un numéro de châssis composé de 17 caractères. Ces 17 caractères, en réalité, déterminent l'année du véhicule, la couleur du véhicule, les obstacles du véhicule, l'origine du véhicule. Alors, avec notre système moderne, à travers ces 17 caractères, nous pouvons déterminer en temps réel et objectivement la valeur de ces véhicules. Il est évident que nous sommes en association avec des éditeurs internationaux qui ont l'expertise nécessaire pour nous accompagner dans la détermination de ces valeurs-là. Alors, il est courant aujourd'hui, eh, les usagers se plaignent, il me semble, de, l'augmentation de la valeur du véhicule. Alors, je voudrais profiter de votre micro pour préciser que c'est le système de détermination qui n'est pas le même que par le passé. Aujourd'hui, si vous importez un véhicule, à travers simplement sa plaque constructeur, que nous pouvons, la plaque constructeur se trouve sur le véhicule. Donc nous faisons une identification physique du véhicule qui pourrait nous permettre de déterminer son origine, ses options et tous ces paramètres influent sur la valeur du véhicule. De telle sorte que lorsque loga à travers les frontières Makalondi et Gaïa, où nous sommes installés, nous sommes aussi installés à Agadez. Nous faisons la détermination des valeurs du véhicule là-bas. Nous plaçons cette valeur du véhicule sur le Sidonia de la douane, de telle sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de manipulation de la valeur. Lorsque votre véhicule est évalué à Gaïa, si vous partez au bureau de douane d'Arlit, vous allez retrouver la même valeur à laquelle vous allez dédouaner votre véhicule. Donc, non seulement ça met l'usager en confiance, parce qu'il sait qu'on ne peut plus tricher, on ne peut plus agir sur la valeur, mais aussi si vous importez un véhicule de même type, de même caractéristique qu'un autre usager, sachez bien que vous allez les donner pratiquement à la même valeur. À la différence que les options peuvent faire changer la valeur d'un véhicule. Donc, euh, ça veut dire que quand on a un véhicule et que, quelle que soit euh, une partie, je euh, je sais pas, technique qui change dans les caractéristiques du véhicule, le prix aussi peut changer. La valeur d'un véhicule est déterminée par un certain nombre de paramètres je le disais tantôt. Et donc, nous les déterminons en temps réel, et je dis avec l'accompagnement de nos éditeurs. Mhm. Je voudrais préciser que Sony Loga ne donne pas elle-même la valeur du véhicule. Parce qu'il est au courant, il est courant d'entendre les âgés dire que les valeurs sont données par Sony Loga en Côte d'Ivoire, en Centrafrique ou ailleurs. Non. Nous le faisons de manière professionnelle en collaboration avec des éditeurs internationaux. Mais par exemple, comme disent euh, certains, quand on achète son véhicule, par exemple, ils disent au port de Cotonou à, je sais pas, 3 millions de francs CFA. Et puis, euh, est-ce que euh, les frais de dédouanement ou d'immatriculation se feront aussi en fonction de ce prix Ça peut dépasser ce prix-là ou bien comment ça se passe ah, Parce qu'il y en a qui disent que euh, ils ont mis en circulation leur véhicule euh, presque autant que le prix dont il a payé le véhicule. <laughs> Madame, il faut qu'on soit clair par rapport à ce sujet. Votre capacité, sinon votre compétence à négocier le prix de votre véhicule n'a rien à voir avec la détermination que nous faisons. Voilà. Vous pouvez négocier un véhicule visiblement d'une valeur de 20 millions, par votre technique ou votre compétence, vous pouvez l'avoir à 2 millions. Ça, ça dépend de vous. Mais nous, nous évaluons le véhicule en dehors de votre, de votre euh, euh, accord avec celui que vous avez Voilà, c'est ce que les gens veulent euh, <laughs> entendre. Donc ici, au guichet unique, combien de véhicules, tout confondus, arrivez-vous à traiter par jour alors là, nous atteignons des proportions quand même assez importantes des véhicules en, en réimmatriculation. Donc ceux qui viennent pour le changement de plaque, nous faisons en moyenne 250 à 300 véhicules jour. En ce qui concerne les véhicules en immatriculation, euh, les dernières statistiques, ça fait au moins 150 véhicules. Donc c'est quand même assez important. Y compris les motos et tous les autres pas seulement en oui, y compris les motos. D'accord. Tous ceux qui nous immatriculons. Ok. D'accord, nous allons y revenir euh, le temps de marquer une petite pause. Voilà, nous continuons le forum. Donc, euh, le parc automobile nigérien s'agrandit de plus en plus et son identification à travers les plaques est d'autant plus importante. Il existe plusieurs types de plaques minéralogiques dont les plus nombreuses sont celles des véhicules de particuliers nigériens qui résident dans le pays. Selon le directeur euh, de la circulation et de la sécurité routière au ministère des Transports, environ 13 000 à 15 000 nouveaux véhicules sont immatriculés chaque année en série normale. Monsieur Moussa, vous êtes euh, de Sony Loga. Au total, euh, est-ce que vous pouvez nous citer les types de plaques minéralogiques qui existent ici au Niger? Bon, fondamentalement, la réforme n'a pas touché le type de plaque qu'il y a c'est les séries qui ont changé par le passé. Vous savez, c'est RN8 euh, aujourd'hui avec la, nouvelle, euh, la modernisation. C'est les séries AA. Vous avez vu, nous sommes aujourd'hui à près de 8000 en série AB, ainsi de suite. Alors, il y a des séries normales, comme le directeur l'a bien indiqué, il y a des séries administratives et il y a des séries organisations internationales ONG. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu euh, de tout temps. Voilà. Maintenant, c'est le type, le type d'immatriculation matriculation et la forme de la plaque hein, qu'on a modernisée. Que comporte euh, cette nouvelle plaque Comment peut-on l'identifier euh, pour celui qui ne le connaît pas Qu'est-ce qui est inscrit sur la plaque Les différentes informations qu'on retrouve sur cette plaque Bon, alors c'est la série d'abord. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série, vous voyez, qui circule, c'est AA. Aujourd'hui, nous sommes à AB. Ensuite, ça indique la région. Niamey, Maradi, Zender, l'ensemble des régions où l'usager a souhaité que sa plaque soit euh, faite de cette manière. D'accord. Et paraît-il que les séries AA seront, seraient destinées à l'administration et qu'il faudrait bientôt que ceux qui ont déjà ces séries AA procèdent à un autre changement parce que ces AA seraient euh, uniquement destiné à l'administration. Est-ce que vous confirmez ces dires-là ah ben, je ne suis pas une voix autorisée pour confirmer <laughs> l'État qui a pris sa décision. Lorsque le gouvernement aura pris une autre décision, nous le constaterons en même temps que vous. Mais pour l'instant, nous sommes en train d'appliquer une mesure prise et qui n'a jamais été abrogée. Lorsqu'elle sera, je suppose que tout le monde sera au courant. D'accord. Donc, euh, en ce qui concerne la réimmatriculation d'un véhicule, quelles sont les démarches que l'on peut entreprendre Voilà. Donc, euh, merci quand même de poser cette question parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui se présentent au guichet unique sans avoir préalablement rempli les conditions qu'il faut pour faire cette opération. Alors donc, d'abord, de par les documents qu'il faut produire, c'est la carte grise originale du véhicule la photocopie légalisée de la pièce d'identité du propriétaire du véhicule et la copie, sinon les copies non légalisées de la vignette et de l'assurance du véhicule. Vous présentez le véhicule à notre atelier pour la visite pour le PV de réception, donc procès verbal de réception, en vue de relever des caractéristiques réelles du véhicule. Parce que nous prenons cette précaution euh, pour éviter à certains usagers d'avoir acheté des véhicules non douanier mais qui, ont des, qui, présentent des, des différences entre les caractéristiques sur le moteur et sur la carte grise. Donc c'est un peu pour mettre à l'abri certains usagers qui sont de bonne foi, mais qui auraient acquis des véhicules qui ne sont pas tout à fait en règle. D'accord. Et quels sont les tarifs appliqués pour euh, les immatriculations, les réimmatriculations plutôt Alors, donc pour une immatriculation simple, c'est-à-dire du propriétaire du véhicule lui-même, c'est 44 200 francs CFA. Alors, l'usager peut aussi acquérir un véhicule pour lequel il n'a pas fait de mutation. C'est-à-dire mutation Mutation, c'est-à-dire qu'il n'a pas transformé, il n'a pas changé de nom. Ils ont fait le certificat de vente, mais la carte grise ne porte pas son nom. Alors, dans ce cas, il y a des frais en Suisse, des frais de timbre. Hein. Donc, au lieu de 44 200 francs, il va payer un supplément de 5 000 à 10 000. Ça fait 54 200 pour une mutation simple. Alors, il y a des usagers, non seulement la carte grise ne porte pas leur nom, mais aussi ils l'ont perdu. Mhm. Alors donc, il y a trois prestations à faire au niveau du guichet unique. Il y a le duplicata qu'il faut faire, il y a la mutation, donc qui va porter sur le changement du nom, et il faut faire une nouvelle carte grise. Donc, ça mhm. fait trois prestations. Alors donc, tout cela, souvent, la puissance du véhicule peut influer sur le, prix à, donner. Donc, ce qui fait que, a priori, eh, quand il y a une mutation, il y a très certainement une augmentation du prix à verser là-bas au niveau du guichet. Ça, c'est pour les voitures et ce qui concerne les motos c'est le même prix. C'est le même prix pour la et euh, moto, c'est le même prix à Non, non, non, pour les motos, je crois c'est 7500. Pour les motos, c'est 7500, il me semble. C'est 7500. Et aussi, c'est les mêmes euh, principes. Oui, euh, c'est les mêmes principes, c'est le, même, document qu'il faut présenter au service D'accord. Et en ce qui concerne la date limite pour que chacun puisse être dans les normes, quelle est la date limite je crois que cette date a été indiquée dans l'arrêté pris par le ministère des Transports. Ah, il faut le dire quand même. C'est fin 2019. Fin 2019. OK, d'accord. Et en ce qui concerne euh, ces véhicules euh, qui circulent avec euh, des plaques minéralogiques de la sous-région, notamment on envoie des voitures immatriculées du Nigeria. Est-ce que pour cela, il y a un autre traitement à faire ou bien je crois qu'il circule conformément euh, euh, à des conventions euh, que le Niger a dû signer avec les autres pays. Quand un Nigérien se déplace pour aller au Burkina ou au Bénin, il n'a pas besoin de, douaner son véhicule pour entrer. Il y a ce qu'on appelle un laisser passer pour séjour temporaire. Alors là, c'est une prorogative de la douane hein, qui délivre aux, aux, usagers de laisser passer. Mais simplement, c'est laisser passer, il y a un délai. Vous ne pouvez pas de manière perpétuelle demander à circuler sur un territoire avec un laissé passer Il y a beaucoup qui le font. C'est certainement en fraude de la réglementation parce que c'est encadré. Hein, cette formule est encadrée, mais visiblement, il y a des abus qui se font. Aujourd'hui, depuis la création du guichet unique où toute la rigueur est mise pour contrôler les véhicules en circulation, effectivement, nous avons constaté une prolifération des véhicules immatriculés euh, en série du Nigeria. Euh, la douane et la police sont en train de faire, de fournir des efforts importants pour euh, identifier et arrêter ces véhicules qui circulent en réalité de manière illégale. Selon la procédure mise en place pour euh, l'immatriculation des véhicules au Niger, en réalité, ces véhicules doivent même être identifiés par nos services pour leur déterminer une valeur. Au cas où l'usager continue à séjourner de manière illégale, la douane saisit les véhicules et on procède à son dédouanement. Parce que finalement, c'est comme si c'est un Nigérien qui est parti importer un véhicule et qui circule en toute illégalité. Mm. Et donc, euh, toute la rigueur sera mise, je suppose, avec les services compétents pour que cette fraude hein, s'arrête parce que c'est une perte, c'est un manque à gagner considérable pour l'État. Et il y a, y a aussi un autre phénomène, c'est que l'État a encadré les délais de la rématriculation. Et donc, je profite pour dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour que l'ensemble des, des, des, propriétaires des véhicules... Comme à l'habitude de le faire Voilà, donc aujourd'hui, au début, on a commencé à traiter sans... 50, 100 véhicules. Aujourd'hui, nous plafonnons vers les 400. Alors moi, je voudrais profiter de votre micro pour euh, lancer un appel. Vous avez, pendant que on peut les traiter dans la sérénité, dans le calme et la plus grande rigueur, et surtout la simplicité, qu'ils viennent pour la rematriculation de leurs véhicules. Par exemple, quelqu'un qui a un véhicule immatriculé Nigeria, un Nigérien qui circule dedans, et au moment d'appliquer la, nouvelle immatriculation, est-ce que ça va plus coûter cher à cette personne parce que la voiture est rentrée sur le territoire euh, il y a des mois ou des années ben, de toutes les façons, les services du Sunuloga vont identifier et déterminer une valeur en douane à ces véhicules il va la dédouaner comme les autres usagers. Maintenant, si l'usager se laisse prendre par les services compétents, je veux parler de la, de la douane, mhm. là, il y a très certainement une amende qui lui sera appliquée. Et donc, les services de Sunuloga vont se présenter ou, à la brigade où le véhicule serait saisi pour l'identifier et lui assigner une valeur. Mais puisque c'est de la prérogative de la douane de procéder au dédouanement, nous allons leur donner la valeur du véhicule et ils vont appliquer la, réglementation en vigueur. Donc il faut que la personne paye en ce temps-là pour récupérer son véhicule. De toute évidence, il faut que tu payes les droits de douane et l'amende nécessaire. Et le temps que le véhicule va passer euh, au niveau de la douane, le temps que la personne fournisse euh, les frais nécessaires, est-ce qu'il y a des taxes euh, à rajouter par rapport aux frais Bon, puisqu'il ne s'agit pas de, de, de, cantonner le véhicule au niveau de la plateforme du guichet unique, mhm. si c'est au niveau de la brigade des douanes, je crois qu'il doit exister une réglementation qu'ils appliquent là-bas. Maintenant, à votre avis, laquelle de l'ancien système et euh, celui d'aujourd'hui est le plus avantageux pour l'État du Niger et pour euh, l'automobiliste je vous dirais tout de suite la nouvelle réforme. Parce que si l'État a pensé à instituer une réforme, c'est au regard certainement des insuffisances hein, révélées par l'autre système. aujourd'hui, vous constatez de vous-même, ne serait-ce que de part euh, l'évaluation des véhicules, où les, usagers sont mis au même pied d'égalité, hein, ce qui n'était pas fait par le passé. Aujourd'hui, eh, l'usager qui se présente au guichet unique a d'abord la première facilité, c'est qu'il va retrouver tous les services regroupés en un seul lieu. Ça veut dire qu'on gagne en temps Qu'on gagne dans les délais. Et il y a aussi la facilité. Vous êtes orienté, vous êtes encadré et nous avons un service qui recueille les, réclamations des usagers, nous vous orientons, et puis en un temps record, votre véhicule est traité. Mais je voudrais relever que les services de guichet unique ne pourront connaître le traitement du véhicule que lorsque l'usager aura payé à la banque qui est, qui est logée au niveau du guichet unique. Mhm. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre les usagers se plaindre de la lenteur. Cette lenteur, elle est relative. Le système que nous avons mis en place institue une sorte de bordereau, ce qu'on appelle le bordereau de prix. Il y a plusieurs partenaires sur le guichet unique. Il y a d'abord Sony Loga, il y a le service d'Interpol, un service de l'État, il y a le service de la DGI où il faut payer la vignette, il y a la douane, et il y a les services de concessionnaires, ceux qui font la plaque. Alors, nous avons regroupé, en dehors de la douane, nous avons regroupé l'ensemble de ces prestataires-là sur un bordereau. Lorsque nous éditons la facture au, à l'usager, il doit se présenter à la banque partenaire du guichet unique qui est logée au niveau de la plateforme. Alors si l'usager prend son temps pour aller payer, ça veut dire que son dossier durera autant de temps. Attendu, oui. Voilà. Alors donc vraiment, je pense que euh, il est important que les transitaires, aussi bien les usagers qui peuvent faire les formalités eux-mêmes, comprennent qu'il faut agir vite pour que vous puissiez être servi avec diligence. Mhm. D'accord. Donc, euh, en ce qui concerne cette nouvelle réforme d'immatriculation, selon vous, quelles pourraient être euh, les limites de ce système on est au niveau de AB maintenant. Est-ce que ça va arriver à un niveau où certaines lettres, euh, les lettres vont finir ZZ, des trucs comme ça Les techniciens du ministère des Transports qui ont élaboré ce texte ont certainement tenu compte les insuffisances que présentait l'ancienne euh, euh, formule. Je ne pense pas qu'en si peu de temps qu'on puisse épuiser les séries jusqu'à. Mais il faut prévoir. Euh, ils ont tout prévu. Rassurez-vous, madame, ils ont tout prévu. Ce n'est pas en 100 ans que nous pourrons épuiser les combinaisons qu'ils ont prévues pour faire ça. Donc, pour faire aussi une comparaison par rapport à la sous-région, est-ce que le Niger se trouve au, même niveau Est-ce qu'on est à la pointe de la technologie concernant euh, les méthodes d'immatriculation à la sous-région Je pourrais vous rassurer que le Niger est en avance sur beaucoup de pays. Euh, vous savez, le système du guichet unique qui est un système qui vise à moderniser euh, le secteur d'importation et de mise en circulation des véhicules n'existe que dans deux pays de la sous-région. D'abord la Côte d'Ivoire euh, qui a un guichet unique automobile, et le Niger. Au Bénin, il y a un guichet unique, mais il ne regroupe pas sur un même espace l'ensemble des services. la modernisation, je pense que même en Côte d'Ivoire, où nous nous sommes inspirés pour créer notre guichet unique, il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous avons améliorées en tenant compte de ce qu'il y a comme insuffisance chez eux l'institution de la carte grise sous format carte de crédit, l'institution du tatouage des véhicules sur les pare-brises devant et arrière, qui est un système de sécurisation, le système de la banque au sein du guichet unique, etc., sont des avantages qui n'existent nulle part en dehors du Niger. Et donc, de ce point de vue, nous avons pu euh, j'allais dire, joindre l'utile à l'agréable. Nous nous sommes inspirés de, de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire pour améliorer notre guichet unique automobile. La seule chose qui, qui reste et que nous sollicitons de la part du public et des, et des services publics, c'est l'accompagnement. Dans un premier temps, le guichet unique, je le rappelle, est un service public. Il est ouvert à l'ensemble des Nigériens. Il faut qu'ils s'approprient cette réforme pour qu'elle puisse réussir les services qui sont euh, en place au guichet unique font de leur mieux et en fonction des prérogatives assignées à chaque service. Je voudrais préciser, à l'endroit de beaucoup euh, d'usagers qui ne comprennent pas encore mhm. que le guichet unique à lui-même est un service public, est une société concessionnaire de ces services qui le gère, qui harmonise, qui supervise l'ensemble des activités qui se déroulent au sein du guichet unique. C'est dire que la douane, le bureau spécialement en transport qui a été délocalisé de là où vous le connaissez pour venir au guichet unique, il conserve ses prérogatives. C'est ce bureau qui fait le dédouanement. Mhm. Souni Loga, en tant que gestionnaire d'un service public, n'interfère pas de les prérogatives de la douane. Chacun fait Suniloga n'interfère pas dans les prorogatives du service Interpol. Suniloga n'interfère pas dans les prorogatives de la DGI pour la détermination du montant de la vignette, du montant de... Non. Suniloga n'interfère pas non plus dans les prorogatives du concessionnaire de service public de poste de plaque. Alors, c'est dire que chaque service conserve ses prérogatives. Sonu Loga est en charge de superviser, de contrôler l'ensemble de ses activités. À ce titre, je voudrais préciser que tous les documents qui sortent du guichet unique sont censés être contrôlés par nos services. De ce fait, moi, en tant que directeur général adjoint, j'essaie d'avoir une, franche collaboration avec les différents responsables de ces services publics et privés. Et nous tenons des réunions périodiques pour partager des informations sur l'état d'avancement de euh, la mise en place du guichet unique. Est-ce est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez euh, dans, ces travaux-là Bon, la première difficulté, c'est l'incompréhension des usagers. Euh, voyez-vous, la mise en place du guichet unique ne veut pas dire aussi que tout va se faire ici et en même temps, sans avoir pris le soin de contrôler les documents que nous produisons. Alors, pour allier la rigueur dans euh, euh, la rapidité, il faudrait bien qu'il faut qu'on gagne en temps. Alors, lorsque nous prenons le temps de vérifier pour qu'il y ait des documents authentiques, infalsifiables, cela a un coût. Le coût, c'est le temps. Mhm. Alors, donc, nous invitons les usagers à comprendre cette mission que nous avons. Nous avons pris l'engagement avec l'État du Niger d'avoir des documents sécurisés, d'avoir des documents infalsifiables. Et nous produisons aujourd'hui une carte grise sous format carte de crédit sur laquelle vous pouvez le constater, il y a la photo du véhicule. Mmh. Il faut un temps pour faire la photo du véhicule. Voyez-vous, nous la sécurisons, nous faisons le tatouage du véhicule. Le tatouage, ça consiste à mettre sur la pare-brise avant et arrière du véhicule le numéro d'immatriculation du véhicule. Mhm. De telle sorte que lorsque l'usager aura perdu sa plaque ou que son véhicule aura été volé, il est facile de l'identifier à travers le numéro, euh, le numéro d'immatriculation qui est sur sa pare-brise. Alors c'est une sorte de sécurisation. Et tout cela doit avoir un temps pour le faire. Donc, ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est la gestion avec le public. Nous faisons des notes de service. Nous sensibilisons chaque fois que les usagers viennent, nos portes sont ouvertes pour les recevoir, pour leur expliquer. Parce qu'il n'est jamais de trop de leur expliquer les choses. Donc, vraiment, nous sommes à la disposition du public pour venir, qu'on leur explique, pour qu'ils s'approprient cet outil important qui est le leur. D'accord. Et euh, j'ai oublié de parler des régions en ce qui concerne la réimmatriculation des véhicules en région. Est-ce que euh, Sony Loga se trouve en région ou bien il faut obligatoirement que ceux des régions euh, descendent ici à Niamey Ah non, non, madame. dans le cadre de la convention que nous avons signée avec l'État du Niger, en réalité, l'installation du guichet unique se fera en, en trois phases. La première phase, c'est la création du guichet central de Niamey et les guichets euh, euh, frontières de Makalondi et de Gaïa. La deuxième phase, ce sera les guichets régionaux de Dosso, de Maradi. La troisième phase, ce sera les guichets d'Agadez, Zender. Il n'y aura pas de guichet unique uniquement au niveau de Tilaberi et de Difa, compte tenu, compte tenu d'un certain nombre de, paramètres qui nécessitent pas qu'il y ait une construction des grandes infrastructures pour abriter les guichets uniques. Est-ce que vous avez un dernier mot pour euh, ceux qui pensent qu'ils ont encore du temps pour euh, réimmatriculer leur véhicule Qu'est-ce que vous leur conseillez plutôt Le seul conseil que je pourrais euh, donner aux usagers qui traînent les pas pour réimmatriculer leur véhicule, c'est que le délai est fixé par l'État. Le mieux serait de réimmatriculer les véhicules avant qu'il n'y ait un engorgement euh, indescriptible au niveau du guichet unique. Encore que, au niveau des régions, Sony Loga a pris des dispositions en collaboration avec le ministère des Transports pour commencer les opérations d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules. Cela pourrait avoir une sorte d'assouplissement quand même dans euh, le flux des véhicules que nous pouvons recevoir. Mais vous savez que 80% des véhicules qui circulent sur le territoire du Niger circulent au niveau de la capitale. Alors donc, euh, attendre le dernier moment pour immatriculer, ça va être une sorte de parcours de combattant pour les usagers. Alors donc, je pourrais vraiment les inviter à procéder à la rematriculation de leurs véhicules et pendant qu'il est encore temps. Est-ce que passer ce délai, euh, ils encourent euh, des amendes ou pas de toute évidence, tout usager qui ne, respecte pas la réglementation eh, pourrait encourir des sanctions. Maintenant, la nature de ces sanctions doit être déterminée par ailleurs. D'accord. Merci, Monsieur Marafa, directeur général adjoint de la Société nigérienne de logistique automobile Sony Loga, qui nous a honoré de sa présence euh, ici au studio Kalangu pour parler de la mise en consommation des véhicules, euh, le déroulement du processus. Je tiens à vous rappeler que le représentant du ministère des Transports que nous avons sollicité pour la tenue de ce forum est absent selon lui pour des raisons d'indisponibilité. Merci aussi, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain pour une autre thématique.